Dans Ousmane Sonko benn yoon beaucoup et on vous avait dit que l'eau-lou c'était un test Waxon nañu len un test Alassane Ouattara a déjà assassiné la personne qui devait le remplacer Alassane Ouattara a assassiné na Mali l'opposant qui était vraiment féroce de, euh, du président qui était là-bas, Ibeka, Ismaila quelque chose, il a été aussi assassiné. Afrique ne le président Ousmane Sonko si il le survit qu'il le survit ñu ngi nous, nous, di sukku di ñaanal ñaan yalla mi maye il a survécu une attentat d'assassinat ñu xamné mo moo ëpp wërsëg ci aduna bi mais attentat assassinat nous def le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko dañ ko empoisonné ils ont essayé de prendre sa vie maintenant xawma ban wërsëg lañuy am nak je ne sais pas comment naka la ñuy chance ban wërsek la yalla di may xamuñu ko Yalla xam Allah walim. Yalla moñu sak sàkk de moom moo xam ki dundu ak ki dé ak waxtu bi ngay ak waxtu bi ngay te waxtu dundu du waxtu dé te waxtu dé du waxtu Yalla yalla mo xam il n'est pas dans de bonnes conditions et eh, je pense que euh, ma je ne veux pas qu'on le projet ce projet est bien destiné à un succès mais amna lo xamné buñ ko défé dinañu trahir projet bi le président Ousmane Sonko Macky Sall jël bakkan Ousmane Sonko ak naan ndox la pour ñi ko xamul Aliun Badara Cissé dem call ngeen xoolaat dem bi ni mu gaawee mambay ñaam di cëppi cëppi tei. di yuhu di nat xataraayu waaw ken yorul kayit dañ may nangam dañuy waxal dem leen ngeen call Samba Lawbe Dieng Samba Lawbe Dieng dem leen ngeen xool dem bi mu Bigana filbert récent Philbert Sambou DJ Badji ay militaires nous dañu servir Sénégal ils ont servi la patrie dem leen ngeen sen seen Ils ni ñu gawé militaires yi ñu ngi leen di def nit mo meuna genn légui né voilà ils ont rendu hommage à DJ Badji wala Filbert Sambou donc vous restez là à penser deux fois si Macky Sall peut prendre la vie de Ousmane Sonko ou pas, s'il il essaie de le prendre ou pas. Macky Sall veut tuer Ousmane Sonko au plus rapidement possible. Qu'est-ce qui est en jeu Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards pour développer le Sénégal ou continuer à développer l'Europe et l'Asie et l'Amérique et continuer à nous appauvrir. ngeen yaakaar ne lobby bi nekk ci ginnaaw Macky ñooñu dañu faale benn sénégalais bu toog fa di jooy naan waaw vraiment on aime Ousmane Sonko waa Ousmane Sonko de vraiment bu ko dara jot waa macha allah moom fi gën waa Ousmane Sonko non non non non c'est lobby s'en yooyu li intéressé mooy ni leur pays parmi ces lobbies il y a les généraux de nos armées il y a parmi eux Amna. parmi ces lobbies il y a des commissaires de police dans notre police il y en a dans notre police des policiers qui font partie de ce système leur seul but c'est de rester au pouvoir, enrichir leur famille et bien vivre et continuer à bien vivre. Damane, il faut nous continuer à résister car seule la lutte libère continuez à résister Macky Sall pour il va assassiner Ousmane Sonko par balle pour poison bi si ce poison ne passe pas, la prochaine fois, ils vont le mettre une balle sur la tête. Billahi wallahi tallahi lazim. gis nga poison empoisonne le président Ousmane Song. Yalla rek mo xam nak ndax dina dund wala dund Yalla mo mom il est dans des situations très critiques waaye leen lenn damoo am ñu waxaat leen ko ñu bamtuwaat ko ñu dellu siwaat gars yi jéggal leen gars yi dama koy bamtuwaat rek Macky Sall Beyond. Il nous l'avait dit au mois de mars mu lifi au mars dotul amat. Kamga nga lan la minon bay duñ ko bettati mom ci bir dekk bi pour attaquer ko dina jël avion daw génn négocier ak parce qu'il ne sera pas dans le pays il est il sera en dehors du pays dans ma di jox ben information de taille ngeen ko xel je pense que ceux qui connaissent connaissent ceux qui ne connaissent pas ne connaissent pas le 30 mars 2023 Macky Sall ne sera pas au Sénégal dafa am lu tudd Democratic Summit Washington pour le 29 et le 30 c'est par hasard qu'ils ont transféré l'affaire Mambaïna au 30 non non non c'est pas un hasard c'est pas à cause de son Sonko c'est pas à cause de son Sonko être poisonné son avocat ne pas être prêt déedéet résistance affaire bi ils ont pris cette décision avant qu'ils ne filent sur l'autoroute et essayer de quitter le pays parce que pour moi, dès que nous bàyyi Sonko mu justice Macky Sall et c'est ce qui s'est passé exactement Macky Sall a tout fait pour nous manipuler encore pour nous dire que la prochaine fois qu'il va juger son cause sera le 29 et le 30 mars il ne sera pas au Sénégal il sera aux États-Unis Macky Sall du Amérique lay nek Washington lay ñew. bu ils vont mettre une balle sur la tête de Ousmane Sonko et je vous le dirai tout de suite et je ne parle pas comme ça moi je ne parle pas par hasard dama ne Sénégalais bu ñu togué di encore fit Tunkara di ma oh mon Dieu ce qui s'est passé vraiment suñu xamone ñu résister non non non il faut résister parce que la prochaine fois Macky Sall n'essaiera pas d'empoisonner le président Ousmane Sonko. Mais ils vont mettre une balle sur sa tête. Koui Kougamou Lolo na nga n'a nga chance Tek de chance bu ma on va bouffer Kene, ne li Sonko wax la de pour une résistance que tout le monde retourne chez eux et arrête ce combat et savoir qu'on a perdu ce projet en avance man sama rakk yi lay waxal xale yi laay waxal dama avec nous voilà non Sonko dinañu xool masal, waaw Serigne si dinañu wax wa lépp dinañ ci non non non Serigne si wax kenn du parce qu'il y a des personnes qui sont en hectare, 200 000 hectares au Sénégal. Ahmed Khalifa Niass li am terrain au Sénégal le Sénégal c'est presque le quart du pays Damane, ils ont déjà préparé le coup d'assassiner le président Ousmane Sonko c'est déjà destiné destiné avons wax « nañ ko ba maintenant c'est la forme la forme ils vont essayer empoisonnement ça marche pas ah on n'a qu'à mettre une balle ils vont le tuer à tout prix à tout prix Vous bu parlez. ils sont prêts que bu ñu Ousmane Sonko on n'a qu'à brûler la moitié du Sénégal mais le projet est mort Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir encore, les mêmes lobbies, et ils vont nous dire qu'ils vont nous reconstruire le pays. Et je vais vous dire toujours, Macky Sall va rester au pouvoir. C'est notre chance aujourd'hui ou jamais que Macky Sall ne revienne pas, que la révolution ne s'arrête pas, que Macky Sall démissionne et qu'il ne revienne jamais dans le pays, sauf qu'il soit traduit en justice. Le Gatsa ça. dama résistance sur la territoire national bu nangou koulen ku boulen nangou bu raplo sama mes amis Aliou sane le coordinateur caat ku bax kilifa ku deggu xeex de bu ken raplo c'est pour combattre kuy dem kaso na dem kaso c'est ça kuy dee na dee wallahi ku dee ci xare ku dee ci jihaad àjjana nga jëm ku la ko waxul waxu la dëgg